Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Des chefs de village de la commune de Niagis et tous les chefs de village ici présents. Euh, je salue et je remercie la présence du PCA de la Fédération d'Imbaya, Monsieur Lansana Kamara, ici présent. Je salue Madame Touti Camara et son équipe qui ont voulu accompagner l'association d'Indi Rwando dans ce chantier. Ce chantier, comme ils l'ont rappelé, euh, où il y a beaucoup de projets en vue. Touti, on te salue vivement. On te remercie vivement toi et ton équipe. Nous saluons Madame Rohiat Bodjan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur les qualités, sur l'engagement, sur la vision de cette femme pour la communauté Nagis pour les femmes du département de Gigachon, C'est une femme qui se bat tous les jours pour que la femme retrouve sa place dans la communauté. Et ça, c'est important. Donc, Mero, nous Nikosante. Elle devait être là, mais elle a un état de santé qui ne lui permet pas d'être là. C'est pourquoi je demande à toute l'assistance de lui proférer des prières pour que vraiment elle retrouve une santé de fer rapidement pour continuer ce chantier si pénible. Je salue le mobilisateur communautaire que la Fédération d'Imbaya a mis à côté de l'association d'Indi Rwando pour qu'il nous accompagne de manière technique dans tout ce que nous faisons au niveau communautaire. Je salue les membres du conseil d'administration de l'association d'Indi Rwando sans exception. Je salue les relais, parce que nous avons des relais qui abattent un travail extraordinaire au niveau de nos communautés. Nous les saluons. Nous saluons les enfants ambassadeurs. Cette relève que nous voulons, qu'elle soit demain la vision, qu'elle soit le chemin pour la commune de Niagis, pour le département de Gigachor et pour la région et pour ce pays, le Sénégal. Donc ce sont des jeunes que nous sommes en train d'accompagner, des jeunes que nous sommes en train d'encadrer, des jeunes que nous sommes en train en tout cas de fournir beaucoup d'efforts pour qu'effectivement, comme je l'ai dit, qu'ils soient à la relève. Je salue les femmes qui sont autour des AVEC des villages de Fanda, Niagis, Dufangor et Boutou. Je salue toutes les femmes pour leur engagement et pour leur détermination pour que effectivement le projet que nous avons, qu'on puisse le construire ensemble. Parce que comme je l'ai rappelé, nous, nous sommes une association qui est le bras technique, le bras opérationnel de la fédération d'Imbaya au niveau de la commune de Dagis. Nous saluons le partenaire technique et financier de la fédération d'Imbaya qui est Chaifon Sénégal. C'est Chaifon qui nous fournit les ressources nécessaires qui nous permettent d'accompagner nos communautés. Aujourd'hui, on est réunis ici pour remettre des attestations à des femmes qu'on a formées pendant cinq jours, des femmes qui sont issues de 30 avec dans les quatre villages que sont Fanda, Nyagis, Boutout et Gifangor. Ces 30 femmes ont été formées sous deux cortes, une corte à Nyagis et une corte à Boutout pendant cinq jours. C'est une formation dans le cadre de la transformation des fruits et légumes, mais aussi de la fabrication de savonnerie. Pourquoi nous avons ciblé les femmes C'est important. Je pense que il y a un des interlocuteurs qui est revenu là-dessus. Les femmes, ce sont elles qui s'occupent de l'éducation de nos enfants ce sont les femmes aujourd'hui qui entretiennent nos familles. Et comme je l'ai rappelé, l'association d'Indi Rwando, la fédération d'Imbaya, tout ce que nous faisons, le seul et unique intervention, c'est l'enfant. C'est l'enfant que nous avons placé au cœur de nos interventions. Donc tout ce que nous faisons tourne autour de l'enfant. Toute activité qu'on mène, c'est pour que la finalité soit l'enfant. Aujourd'hui, nous avons accompagné ces femmes pour que leur pouvoir d'achat puisse être amélioré. Elles sont dans les avec. Aujourd'hui, avec cette activité, elles pourront renforcer leur pouvoir d'achat. Si leur pouvoir d'achat est renforcé, ça veut dire qu'elles pourront prendre correctement et de manière efficace la protection des femmes-là. Nous avons un ambitieux projet, je pense que tout il l'a rappelé. On veut, à l'issue de cette formation, organiser les 72 heures de l'économie locale au niveau de la commune de Niagis. Donc ces 72 heures-là, chaque avec va produire et va présenter des articles. Et on va inviter toutes les autorités de la commune et au-delà pour qu'ils viennent non seulement voir ce que les femmes ont produit, mais que pour qu'ils achètent les produits et vous permettent de renforcer votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est un projet ambitieux. Pour que ça réussisse, il faut que tout le monde s'implique. activité, elle est importante et capitale pour la fédération d'ibaya et pour l'association d'Indi C'est pourquoi avant de la mener, on a fait euh, le diagnostic qu'il fallait. On a écouté toutes les femmes pour qu'elles nous disent effectivement ce qu'ils veulent. Et c'est sur cette base-là qu'on a organisé cette activité. Donc ça veut dire que c'est les femmes qui ont voulu cette activité-là et on les a accompagnées dans ça. Donc ça doit réussir. Et je veux l'entendre au nom des femmes. Que les femmes disent que l'activité-là va réussir. Ça ne va pas s'arrêter ici. Ça, le veux. Et ça, il faut me le montrer par des applaudissements, s'il vous plaît. Voilà en damay ñëwaat ci olof parce que nous avons la presse ici looloo tax ma waxoon ci français damay de ci olof parce que activité bu ñu def nii dañ koy retransmettre Nous avons nuyu de yi en commençant par le président des collectifs des chefs de village ak chef de village mu àndal yëpp di le président du conseil d'administration de la fédération Dimbaya di nuyu avec yi nekk di nuyu enfant ambassadeurs yi di nuyu le conseil d'administration de l'association dindi di nuyu Wando di nuyu Nous sommes di ne tey bés bu pour la commune de Nyagis bés bu pour l'association Dindi mais ñun fu ñu leen di xaar du fii comme ni ma ko waxee ci français fu ñu leen di xaar du fii li taxul nous ñu bég li taxul ñun ñu contane li tax ñu contane ñu tax ñu bég moy ñu dem ba ñu né ñetti fan yi dañ ko jagleel économie locale commune Niaguis té jigen commune Niaguis ñom ñoy produire ay articles ñu indi ko ci benn bëreuf ñu wo autorité nek ci commune bi yépp ñu ñëw fekkee bés bobu noonu ku nek su ñëwee mu yobalé ay articles kërëm nous renforcer ce pouvoir d'achat parce que comme ni mu ko waxee ci nous lépp lu ñuy def suñu doom yi ñoo tax ñu def parce que association di la fédération di Mbaya protection de l'enfant moo nekk suñu objectif bu bu premier objectif c'est la c'est la protection de l'enfant donc le la ñuy def xale yi ñoo tax def.

formateur bi waxtan nañu mom té paré na pour gunge leen matériel bu ñu jënd nii ak ay intrants ñu ngi fii suñu paré dañ koy partager avec bu nekk dekk bu nekk mu am matériel dekk bu nekk avec yi nekk fofu yi participer ci formation bi ñu mëna utiliser matériel bi ñu liggéey ñu produire ay articles avec ñu accompagner ci projet bi 30 avec la 11 avec Afanda, 9 avec à et 7 avec, 7 avec à et 4 avec à Donc avec eux, on va mettre du matériel à leur disposition pour que nous puissions continuer la formation. Parce qu'avec eux, quel ne fait la formation. Donc les autres membres de la tête, C'est pourquoi nous avons faire des multiplications au niveau de vos AVEC pour que Yéréni, une famille aussi, nous mon activité. Donc, dans deux ans, dans trois ans, nous nous pouvons avec Yohamantani, indépendante. Si nous pouvons défendre Sabou, nous pouvons tout de suite nous connaître Si nous pouvons défendre Orjavel, nous pouvons tout de suite nous connaître Nous pouvons défendre Sénbop, sur le nez après, nous envoyer un bout de tout de suite nous connaître sur nos productions. Donc, Lolo, je pense que nous avons comme ça. Pour terminer, pour terminer li ma bëgg a wax mooy activité yu ñuy def nii il faudrait que yéen jigéen ñi ngeen approprier ko ngeen xam ni lii defuñu ko pour ñun dañ ko def pour yéen donc dañ ko war a jàpp ñaari loxo matériel bii tuuti na bëriwul da ngeen di war a booloo ngeen jàpp matériel bi ñaari loxo ngeen liggéey ngeen nekk benn bëgguñu suba ñu nekk fii di naan avec bi mu ne lii avec bi mu ne ma lële nekkuñu fii pour atte kenn jàpp nañ suñu yaay ngeen jàpp nañu bëgg ngeen liggéey donc matériel bi suñu ko demee à disposition ngeen boole seen xol yi ngeen nekk benn ngeen liggéey comme ça suñu partenaires yi kontaan ci yéen ñu yokk lu jox ñu jox leen ko je pense c'est important parce que projet pour mu réussir mooy que ëllëg nous gis ni après la formation nous na loo faire de plus Et à chaque fois nous ñëw xool ngeen di remonter les rapports qui vont nous permettre aux partenaires d'être satisfaits de ce bi ngeen di def maa ngi di merci beaucoup. Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM.